Je suis Samba, je suis résident au Mariste de ILOZ. Euh, nous sommes sur le site de la passerelle, la passerelle de l'autoroute. Vous voyez bien que cette passerelle enjambe l'autoroute. Ça permet de faire un raccourci aux piétons. Et euh, vraiment pour euh, la bonne marche du système de circulation. Mais nous avions constaté que cette passerelle ne devant pas être euh, empruntée par même un vélo, a, a été donc empruntée par des centaines de scooters. Nous avons dénombré 400 scooters par jour et le samedi, 450 scooters. Nous nous sommes donné cette peine-là et cela ne pouvait plus continuer. Parce que pour nous, scooter égale agression. Parce que les scooters perpétraient des agressions sur la passerelle. Et ils entraient en trompe dans la, dans la cité. Vous savez bien que dans la cité, nous n'avons pas de voiries goudronnées. Nous avons des voiries en sable. Ils continuaient à passer ici avec fracas, en soulevant la poussière et leur fumée, en faisant des accidents en causant des accidents. Et puis il, euh, il, pas de faire les, agressions même, il n'arrête pas les agressions tout de même de la passerelle à l'intérieur de la, cité. Donc c'était pour nous euh, un problème sur lequel on s'était fixé pour leur pour qu'il pour qu'il cesse de passer, d'emprunter la passerelle. Parce que... Bonjour, je me présente, je suis Mousseignan, donc euh, citoyen des Maris, euh, et je représente le, président du conseil des quartiers de Maris, et qui englobe Maris 1, Maris 2 et environ. Aujourd'hui, on est sous la passerelle, qui est assez symbolique pour matérialiser les séries d'agressions que nous vivons. Elles sont multiformes et leur gravité dépasse même l'entendement. Nous sommes agressés jusque dans nos chambres à coucher. C'est des vols à infraction. Et vous imaginez euh, la terreur que cela fait au niveau des maris. Raison pour laquelle aujourd'hui, on est là pour euh, alerter. Alerter qui de droit, c'est-à-dire les autorités, au premier chef les autorités administratives de ce pays, mais aussi les autorités communales, euh, les autorités locales. Je vais vous épargner la, je vais vous épargner la nature et la gravité de ces infractions-là, de ces agressions-là. Je vais vous les épargner. Mais comprenez qu'elles sont de gravité extrême, allant d'agressions physiques, verbales, sonores. Parce qu'il faut bien comprendre que les problèmes de sécurité sont fondamentalement liés aux problèmes d'environnement. Vous les voyez ici, euh, encombrer la voirie. Et assez souvent, quand le conseil est, vite établi, hein, vous, quand il y a vol, vol de batterie par exemple, vous comprenez avec nous, vol de batterie par exemple, vous comprenez avec nous, les opérations qui s'opèrent de la façon la plus rapide nous laissent penser que c'est des professionnels, c'est des mécaniciens. On les pointe directement du doigt. Parce que le budget n'est pas pour le maire il faut même rééquilibrer entre le fonctionnement et l'investissement. On ne peut pas avoir des communes avec des pléthores de personnes qui bouffent le budget du fonctionnement au détriment de l'investissement. Le budget, il est rentré résultat. ce ne sont pas des privilèges qu'on les octroie. Il faut véritablement revoir la politique de décentralisation de l'État. Je vous remercie.

dëkk ci biir di polluer lag yi di ci def seen i besoins di tour seen mbalit sonal habitat yi di ñu menacer ñun ñu fi dëkk tey personne n'a appelé la la sécurité d'aller à son travail tranquillement fii ñu taxaw tey bu du toon ne cortège président Diomaye moo fiy jaar bu ñu fi taxawee na nga ne ñu dal ci suñu kaw léegi nag damay laaj ndax ñii esquatteurs yi ñoo am droit ci koñ bi wala ñun ñi moom suñu titre foncier dëkk fii ci koñ bi di fay suñuy taxe ci état bi di liggéey nekk ay honnête citoyen ndax ñun ñoo fi am droit damay laaj ndax pollution bi nga xam ne moo nekk fii ci koñ bi ndax lu jaadu la mel ni quartier bu amul maire loolu laay laaj ndax jaadu na wala jaaduwul fii ñu taxaw tey bu ñu bu ñu agérul dimbaliwul woon tey defal ñu blocage bi ci ginnaaw nega ne boo fi taxawee 1000 scooter romb nañ la këf sa paset doog a dem seen yoon loolu nag daf ñoo naqari ñun en tant que ay mère et père de famille d'honnêtes citoyens yu dëkk dëkk dëkk ci quartier résidentiel tànn ko avec tout le confort qu'il devait boo fi jëmbatee garab dañ koy buddi boo tegee boo gaaree sa oto fraction de seconde ñu enlevé ba dem épave de véhicule nag bu état bi yëkkati wala préfet yëkkati ko rek ñu indil ñu ko ci biir koñ bi tegal ñu ko mu nekk ay nii de mouche de moustique ak yu kenn xamul loolu la ñu daje tey di ko wax ñi ngi ciy tàllal suñu loxo ñi ngi interpellé waat maire ndax maire lii devoiram la lii devoiram la du kaat du du du banlieue bi rek moo am ay problème fii nii ci Maristes on a nos propres problèmes dégg nga ñu ciy loolu jàllee aussi ñu ciy interpellé le président Diomaye et le PM Ousmane Sonko parce que li nga xam ne moom la population des Maristes di dund dafa metti dafa sonle te kenn xamul ba kañ la indiscipline bi ci dëkk bi dañ cee war wax non seulement étrangers, yi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi du ñu fay benn taxe di dugg fu leen neex di installer fu neex ñi ngi fi mais nous nous les nationaux suñu jeunesse bi nga xam ne amuñu aucune formation bañu ñu liggéey de bañu ñu liggéey de mais kuy liggéey aussi di gagner sa dund da koy def honnêtement da koy def légalement dang koy def d'une manière ordonnée et éduquée. asalaamaaleykum euh, ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu ak ñëpp ma ngi tudd Ouma Diouf nek président association ILZ et puis n'ek membre du conseil euh, de quartier. waaw tay dañ am naqar bo xamé né naqar yu bari sax yo xamé né mo fi am moo tax ñu dajaloo bàyyi suñu activité di ñaan euh, état bi pour ñu jappalé ñu ci suñu problème de sécurité. c'est un problème qui nous tient à cœur moo tax ñu bàyyi suñu activité yëpp bi ñu taxaw tay bu fi taxawé c'est parce que.

yo ne warul pas yoon warul nek yoon mais euh, passerelle bi kenn du nous jaar bëcëk kenn vous jaar nous le vous la route, parce que AGEROUTE moo ñu perdre ba ba moto yi ñu fi parce que vraiment suñu voisin bu ñu wax jonn moo ñu ci jappalé ba nga xamé né ñoo ñu defal yi nga suñu ba ñu mu permettre nit ñi di jaar dégg problème au niveau de l'autoroute à péage faut ay étrangers du fa dëkk

du chèque deuxièmement à chaque fois que mu am problème fii boo demee ci gendarmerie ñoom bu ñu la bëggee régler problème bi sax duñ ko mun parce que amuñu effectif boo demee commissariat central wala ci yeneen commissariat yi ñu ne c'est pas leur compétence mais je pense que en matière de sécurité compétence affaire gendarmerie ak police warul am fu ñu la sollicité mu am ak cas war nga jóg mais malheureusement foo mun ci dem ñu ne la demal poste police bu gendarmerie boobu kii

de, l'association euh, euh, pour le développement d'Anne-Marie et en même temps membre de l'initiative qui aujourd'hui s'adresse pour lutter contre l'insécurité galopante au niveau de maris. Il y a trop d'agressions au niveau de maris. Maintenant, sur le plan sociologique, il faut étudier le pourquoi. Il y a plusieurs facteurs. Il y a la faillite, il faut le dire, des services de sécurité. Parce que le le, premier responsable pour assurer la sécurité des personnes et des biens, c'est l'État du Sénégal. Il y a une brigade ici, je ne sais pas, de gendarmerie, mais je le dis haut et fort, ils ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail. Ce n'est pas aux citoyens de se dresser pour faire appliquer la loi. Il faut assurer ce pays, la sécurité est devenue aujourd'hui une des premières priorités de rupture. Et pour cela, il faut avoir une stratégie de sécurité collective. Maintenant, quels sont, moi je suis sociologue de formation, quels sont les facteurs qui entraînent l'insécurité Il faut aujourd'hui que la municipalité convoque ce qu'on appelle aussi au niveau local, ce qu'on appelle aujourd'hui un dialogue pour les états généraux pour la sécurité. Marie, chaque jour, il y a des agressions. Nous ne pouvons pas accepter ça. Ensuite, il n'y a aucune réglementation. Il y a partout l'occupation anarchique.